forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h de 15 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du forum du Studio Kalangou. Les programmes du Studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires qui relaient nos émissions à travers le Niger. Dans le forum de ce soir, nous revenons toujours sur la nouvelle alliance en cours entre le MNSD Nassara et le PNDS Ce soir, nous allons vous proposer le point de vue d'un membre du parti au pouvoir, le PNDES Tarea, relativement à cette question d'alliance. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2016-2017, le ministère de l'enseignement secondaire a procédé hier au lancement de l'opération d'acheminement de matériel et fournitures scolaires à l'intérieur du pays. À suivre dans le forum l'appréciation qu'en font certains syndicats du domaine de l'enseignement, notamment la cause. Vous suivrez également dans ce forum le secrétaire général des étudiants de l'université de Maradi sur la situation socio-académique de cette université de l'intérieur. En cette saison des plus fréquentes fréquences d'inondations et circulation des eaux usées aux salles qui stagnent souvent devant les maisons des populations, quelles conséquences sanitaires à suivre la réponse d'un docteur En sport, vous suivrez le point, de, le point de la performance de nos représentants aux Jeux olympiques de Rio 2016 avec un membre du comité olympique du Niger. Bonsoir à tous, bienvenue. Je l'ai annoncé en titre, nous revenons ce soir sur cette question d'alliance entre le MNSD Nassara et le PNDS un sujet qui défraie la chronique. Vous avez pu suivre sur nos antennes la réaction du Modern Lumana ensuite l'analyse d'un politologue sur cette question. À présent, nous vous proposons un autre point de vue, celui du principal parti au pouvoir, à l'occurrence le Tarea. Comment cette, alliance est accueillie Quels sont les changements qui risquent de survenir Réponse de Zarami Abakari, membre du parti Tarea. En tant que membre du parti au pouvoir, euh, je peux dire que nous avons accueilli positivement euh, cette décision. Nous pensons que c'est une décision qui est historique, donc euh, nous la saluons. Je pense que c'est une bonne chose que le MNZ ait finalement euh, enfin décidé de saisir la main tendue du président de la République pour participer à la gestion du pouvoir d'État. Le président de la République a longtemps euh, tendu cette main à l'endroit de toutes les forces politiques. Euh, déjà en août 2013, euh, c'était le cas. On a assisté à la formation du gouvernement de large ouverture. Malheureusement, il y avait une partie du MNSD qui n'avait pas voulu prendre part à ce gouvernement. Aujourd'hui, que le MNSD ait décidé de rejoindre les rangs du pouvoir, nous pensons que c'est la meilleure chose qui puisse arriver nous pensons que avec euh, la contribution des acteurs politiques euh, de ce parti, nous pouvons faire mieux. Euh, ce n'est pas que le gouvernement actuel est démérité, mais vous savez, pour le président de la République, c'est toujours un leitmotiv. Nous sommes un pays fragile qui est confronté à beaucoup de défis, les défis sécuritaires, les défis liés à la question de la sécurité alimentaire, les questions sociales, etc. Toutes ces questions-là, quand bien même le gouvernement a fait des efforts, nous pensons que avec la la contribution de tous les Nigériens, nous pouvons être à mesure euh, de mieux prendre en charge ces questions-là. D'aucuns se posent la question euh, sur la sincérité de, de la main tendue de Issouf. Il a quand même une majorité assez confortable pour gérer avec euh, plusieurs partis politiques, une cinquantaine qui l'ont soutenu, qui sont avec lui. Il dispose également de majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que réellement le MNSD pourrait apporter au, au Non, mais c'est une main sincère. Je pense que le MNSD peut apporter beaucoup parce que euh, quand même c'est un parti qui a par le passé géré le pays et qui a encore en son sein un certain nombre de cadres qui peuvent apporter leur contribution dans l'œuvre de construction nationale. Il s'agit de former une sorte d'union sacrée pour faire face, comme je l'ai dit, aux différents défis qui se posent à notre pays. La main tendue est adressée à tous les partis politiques. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas répondu. Il ne s'agit pas euh, seulement de faire euh, une action euh, politicienne, mais il y a une réelle volonté de réunir l'ensemble des filles et fils de ce pays autour du programme de la Renaissance 2. Et ce qui est important à ce niveau, c'est l'avenir de notre pays, c'est-à-dire ce qu'on peut apporter pour faire en sorte que nous puissions sortir notre pays des sentiers battus la grande question, c'est la question du développement. Je l'ai dit, on a beau faire tous les efforts nécessaires compte tenu de l'immensité des tâches, compte tenu de la complexité des problèmes à résoudre, on aura euh, toujours besoin de la compréhension, de, la contribution euh, de tout le monde. Vous savez, une union comme euh, celle qu'on voudrait mettre en œuvre, c'est-à-dire une union sacrée, permet quand même euh, de renforcer les institutions, de renforcer aussi euh, l'unité et la cohésion nationale. Elle permet également euh, de mieux prendre en charge certaines frustrations sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, etc. Donc je pense que vraiment c'est une bonne chose que l'on puisse mettre en place un gouvernement d'union nationale dans l'intérêt du Niger. Alors, mais est-ce que vous pensez que ce gouvernement d'union nationale a réussi avec l'arrivée du MNSD ou bien ça reste encore d'autant qu'on sait que le parti principal de l'opposition, le Modern Falumana, n'a pas encore rejoint les rangs de la mouvance présidentielle Ils sont libres de rejoindre euh, la mouvance présidentielle, mais j'ai entendu un certain nombre de propos venant de certains animateurs de ce parti, euh, comme quoi ils ne sont pas intéressés et qu'ils faire de l'opposition. Donc je pense que si c'est ça le choix, on, on, doit, on, doit, le respecter. Euh, maintenant, euh, s'il y a d'autres qui sont euh, intéressés et qui voudraient bien saisir la main tendue du président, ils sont toujours les bienvenus. Avec l'arrivée du MNSD Nassara, on se pose des questions. On sait que déjà le, le nombre assez élevé de ministres, 40 42, si je ne me trompe. Est-ce qu'avec l'arrivée MNST, ce ne serait pas encore des ministres de plus ou, euh, ou bien cela peut être revu à la baisse Sur euh, la taille du gouvernement, je suis euh, assez mal placé pour pouvoir vous donner des informations assez précises. Vous savez que c'est une prérogative du président de la République. c'est à lui que revient la tâche donc de former le gouvernement. Donc c'est à lui aussi d'apprécier tous ces éléments-là. Nous sommes quand même dans une période où on parle de sécheresse financière. Si euh, encore d'autres parties viennent, on peut s'attendre à des difficultés aussi plus importantes que celles que connaît le pays actuellement. Pas forcément. Et puis les difficultés financières, dans tous les cas, sont liées au contexte euh, international. Hein. L'économie mondiale est en crise depuis un certain nombre d'années. Nécessairement, ça se répercute sur les, économies nationales. Vous savez que pour notre pays, euh, les matières premières aussi ne se vendent pas comme on l'aurait souhaité. Et ça, naturellement, ça a des répercussions sur euh, la trésorerie générale, c'est tout. On sait qu'il y a beaucoup d'alliés qui, qui ont soutenu Issoufou et qui sont actuellement en train de travailler avec lui. Comment est-ce que ces alliés vont continuer à être traités avec l'arrivée de ce nouveau parti, le MNST Nassara le PNDS restera fidèle à tous ses alliés. Il y aura donc euh, la même considération que par le passé. Et euh, ce n'est pas parce que le MNZ est arrivé à la MRN que euh, ceux qui avaient soutenu le président de la République lors de l'élection vont être déconsidérés ou bien qui vont être oubliés. Je pense que les mêmes rapports qui nous ont permis de diriger le pays pendant ces quelques mois seront maintenus et je pense que, comme l'a dit le président, du parti, ils n'ont pas vraiment à craindre quoi que ce soit. Qu'est-ce que le MNSD pourrait gagner en rejoignant le PNDS Tareya Vous savez, pour le moment, euh, il y a eu le principe, euh, l'accord de principe pour rallier le gouvernement. Euh, donc tout reste à faire. Il y a des négociations qui vont être entamées avec le pouvoir. Naturellement, quand on dit euh, qu'un parti va participer à la gestion du pouvoir d'État, c'est à travers euh, des postes ministériels, c'est à travers des postes au niveau de l'administration centrale, c'est à travers des postes au niveau des cadres de commandement, etc. Donc tout cela sera négocié. je suis sûr que l'on parviendra à s'entendre sur ces différents postes et sur les responsabilités qui peuvent peuvent être euh, confiés aux uns et aux autres. on parle de tout rose. La primature, euh, c'est le PNDS qui occupe euh, la présidence de l'Assemblée nationale, c'est le PNDS avec le MNSD, on peut s'attendre peut-être que l'un de ces postes soit confié à Hassan Marou, le président du parti du MNSD Nassara Bon, là c'est un peu tôt pour, se prononcer sur cette question. Euh, bon, quand vous parlez du Touro, ce sont les rapports du force qui ont imposé cela. Maintenant, euh, les cartes euh, vont être redistribuées puisque le MNSD est arrivé. Maintenant, je suis pas à mesure de vous dire euh, à quel niveau de responsabilité euh, un tel va pouvoir euh, se placer. Et sincèrement, je n'ai pas assez de pour, pour, pour, pouvoir vous dire quoi que ce soit là-dessus. Vous ne craignez pas des, des grincements de dents de la part de vos alliés qui ont combattu, qui sont partis aux élections pour, pour soutenir Issoufou et qui voient un autre allié venir euh, vous savez, la politique, c'est ça aussi. Hein. Bon, je vous ai dit qu'ils n'ont pas à craindre quoi que ce soit. Ils ne seront pas lésés, nous allions d'hier. Donc, euh, on, sera toujours dans la dynamique de la MRN qui consiste à soutenir le président de la République dans la mise en œuvre du programme de Renaissance 2. Si tant est que la volonté des uns et des autres, c'est l'avenir du pays, c'est le développement du, pays, on doit aller au-delà des considérations personnelles ou même euh, partisanes, au sens où c'est les intérêts de proximité qui doivent euh, être privilégiés. Non, au contraire, on doit faire en sorte que euh, ce qui est important et qu'on doit mettre en avant, euh, c'est l'intérêt du Niger. Est-ce que le président Issoufou, qui avait toujours tendu sa main, est-ce que ce dernier va continuer à tendre sa main jusqu'à ce que le, le le parti de l'opposition qui reste encore, puisse les rejoindre pour que cette union soit vraiment une réalité. La main du président, elle est tendue, elle, est tendue, mais maintenant euh, la balle se trouve toujours du camp de ce vers qui cette main est tendue surtout, et c'est à eux de la saisir. Maintenant si euh, pour une raison ou pour une autre ils pensent qu'ils n'ont pas à la saisir, c'est un choix, il faut respecter ce choix, c'est tout. Quels sont vos pronostics pour les jours à venir en termes de, de, réaménagement, en termes de, changement la, dans la gouvernance actuelle Bon, nous avons L'espoir qu'on va faire mieux. Parce que bon, finalement, c'est pour ça qu'on appelle tout le monde. On a fait des choses, mais on peut toujours améliorer. Et c'est pour cela qu'on a besoin de tout le monde. Et l'espoir qu'on peut nourrir, c'est qu'on peut faire davantage pour notre pays. Voilà ce que je peux dire. Je vous remercie. Vous venez de suivre Zarami Abakiari, membre du PNDS Tarea. Parlons à présent santé. Nous savons que les pluies de ces derniers jours ont causé beaucoup d'inondations dans plusieurs villes du pays. À Niamey, certains quartiers aussi ont été victimes. Et les eaux stagnent partout dans la capitale. Quelles conséquences sanitaires pour les populations qui vivent autour ou qui côtoient ces eaux Docteur Mamansani, médecin au district sanitaire Niamey 1, répond. Nous courons beaucoup de risques, surtout pour des zones qui sont inondées où les eaux se stagnent ou effectivement dans certains endroits où il y a même euh, la crue. L'eau, comme on dit, elle est source de vie, mais elle est aussi source de beaucoup de maladies. Donc ces inondations ne sont pas exemptes des risques de maladies liées évidemment à ces eaux c'est principalement des maladies qui sont liées à l'eau. La première maladie, en tout cas, c'est surtout la diarrhée. Vous savez, effectivement, nos eaux, quand vous circulez dans nos villes et même dans nos villages, c'est de l'eau qui se stagne parce qu'il n'y a pas une canalisation adéquate qui peut permettre effectivement d'évacuer l'eau. Et cette eau-là qui est tarie au niveau des surfaces, elle est évidemment polluée parce qu'elle est assujettie à une pollution, que ce soit des déchets, des matières fécales, mais dans certains endroits, dans des centres urbains même, de certains produits industriels. Donc ça, effectivement, c'est ce qui est à la base des maladies. Je parlerai d'une première conséquence qui est la diarrhée et qui est cause effectivement des maladies et des décès dans nos régions. La diarrhée, surtout quand on prend le choléra. C'est en cette période, dans beaucoup de zones, vous constatez une éclosion des épidémies de choléra et qui ont beaucoup de conséquences sur le plan sanitaire. À côté de cela aussi, il y a une autre maladie. Et je parle du palu. Le palu aussi, effectivement, cette eau est en train de la favoriser parce qu'effectivement, elle permet le développement de ce qu'on appelle les gîtes larvaires. Et le larve arrive effectivement à se développer et à devenir des moustiques adultes pour pouvoir transmettre le palu. À côté de cela, vous avez parlé des enfants qui s'amusent dans ces et évidemment, vous vous rappelez de ce qu'on appelle la bilharziose. La bilharziose, c'est une maladie effectivement qui aussi fréquente chez nous et qui est due évidemment à cette eau la bilharziose urinaire et à la forme intestinale. C'est surtout la forme urinaire que les gens connaissent beaucoup. Vous allez voir à période de tout un village ou tout un quartier, les enfants, quand ils urinent à la fin de l'urine ou bien totalement leur urine mélange du sang. Tout ça, là, c'est la bilharziose Il y a d'autres maladies aussi, des parasitoses intestinales, les ascaris, les vers intestinaux aussi. Ça, ça se transmet par la voie cutanée, mais aussi par la voie orale. En fait, c'est des maladies qui sont transmises par le matière fécale à travers un manque d'hygiène n'est-ce pas, et d'assainissement, parce que l'eau, dans certains endroits, l'eau là qui est contaminée par la matière fécale, par le déchet, c'est elle aussi que les gens utilisent pour boire d'abord, et pour laver les intestins et autres. Donc, voyez-vous, il y a tout un mécanisme de contagion qui est là. Donc, il y a beaucoup de maladies, effectivement, qui peuvent être causées par cette eau. Par exemple, aujourd'hui, vous circulez dans la ville de Niamey, partout c'est de l'eau, il faut faire des acrobaties pour pouvoir contourner l'eau. Et vous voyez effectivement l'état de non c'est l'état des déchets qu'il y a dans nos villes. Et c'est surtout ces des matières fécales qui sont contaminées. Ce sont là quelques risques qu'encourent les populations vis-à-vis de ces eaux de pluie. Propos donc du docteur Mamansani. Pour éviter tous ces risques de ces maladies liées aux eaux stagnantes, voici les recommandations que Mamansani, docteur Mamansani, nous en donne. Quand on ne fait rien, les gens peuvent se contaminer. Il faut d'abord sensibiliser la population pour qu'ils arrivent à un changement de comportement, allant dans le sens d'améliorer l'hygiène et l'assainissement de nos milieux. Parce que c'est ce qui va nous permettre de réduire ou d'éviter ces maladies. Parce que quand on n'assure pas l'hygiène, l'eau, quand elle va venir, elle va évidemment trouver déjà des déchets ou des matières fécales qui sont là et ça devient une source de contamination gratuite pour la population. Alors il faut qu'on assainisse là où nous vivons, nos maisons et les alentours de nos maisons. Et ensuite, les autorités doivent prendre ses responsabilités pour pouvoir assurer un assainissement à large échelle. Maintenant, individuellement, chacun a ses niveaux, et des mesures qu'il va falloir prendre. Un des éléments importants qui peut réduire ces maladies, c'est surtout le lavage des mains à l'eau et de savon. Et à travers effectivement ces salutations que nous faisons, nous nous transmettons énormément de maladies sur le savoir. Il faut que les gens aient à l'air esprit l'utilisation de la trine, surtout c'est aussi important. Quand vous partez dans les sentiers, vous allez voir des gens effectivement qui continuent à déféquer à l'air et là, là, ça va suivre effectivement l'eau et on ne sait pas où est-ce que cette eau va amener toute cette matière fécale et les gens sont susceptibles de la contaminer. Donc, c'est tout, entre autres, ces mesures d'hygiène que les gens doivent essayer de prendre, mais tout ça qui rentre dans un cadre d'une bonne communication pour un changement de comportement en vue effectivement d'assurer notre santé à travers l'hygiène et l'assainissement. Vous venez de suivre Dr Maman Sani, médecin au district, au district sanitaire Niamé 1, propos recueilli par Omar Hama. Dans le cadre des préparatifs euh, d'une bonne rentrée scolaire 2016-2017, le ministère de l'enseignement secondaire a procédé hier au lancement de l'opération d'acheminement de matériel et fournitures scolaires à l'intérieur du pays. Ces kits d'une valeur d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA est destiné aux lycées qui effectueront leur rentrées en septembre prochain et les collèges des régions d'Agadez et d'Ifa qui feront leur rentrées en octobre. Une initiative saluée par Mustapha Moussa, membre de la convergence d'action unitaire du syndicat de l'éducation Cause Niger. Al-Mustafa Moussa, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général euh, du SINAFEN, euh, SINAFEN qui est membre euh, du Cause du Niger. Alors, hier, vous avez assisté à l'acheminement des fournitures scolaires à l'intérieur du pays. Quel commentaire cela suffit en vous Hier, euh, le ministère des Enseignements secondaires a effectivement convié notre structure Cause Niger pour effectivement assister à l'acheminement du matériel scolaire pour euh, la première rentrée. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'au niveau du secondaire, il y a deux rentrées. D'abord pour la seconde jusqu'en terminale qui se fait le 15 septembre et l'autre qui est revue aussi à partir du mois d'octobre le collège. La particularité au niveau de ce ministère, c'est que l'exemple du kit a été effectivement aussi montré à l'ensemble des partenaires cela veut dire quoi euh, Sur la base de ce que euh, le ministre a eu à nous dire déjà, la répartition de ce matériel-là par classe et par élève va nous permettre effectivement de contrôler si effectivement ce qui a été dit par le ministère, c'est ce qui est en train d'être respecté au niveau de l'école, au niveau de la classe et au niveau des élèves. Et c'est pourquoi notre représentant a tenu sincèrement à remercier le ministère pour dire qu'effectivement nous remercions cette démarche et nous la saluons et nous entendons aussi l'encourager parce que sur la base de ça, nous allons vérifier. Et je puis vous assurer que déjà, nous avons donné l'information à tous nos camarades pour dire qu'effectivement, voilà ce que chaque élève doit recevoir comme cahier chaque école, chaque classe. Voilà sa dotation. Et nous demandons aux camarades effectivement d'être vigilants. Parce que nous estimons que c'est l'argent du contribuable nigérien. Et c'est cette clarté dans la répartition de fournitures que nous, en tant que syndicat d'enseignants, en tant que défenseurs de l'école publique, nous avons tout le temps exigé. Et nous allons veiller à ça. Mais maintenant, notre inquiétude, c'est au niveau de l'enseignement primaire, où vous avez vu, tout a été exprimé en tonnes. Tel nombre de tonnes, tel nombre de tonnes. Et quand on regarde, même les ardoisines peuvent exprimer ces tonnes-là. Et c'est pourquoi nous demandons à l'ensemble des ministères de prendre l'exemple du ministère des enseignements secondaires pour permettre à ce qu'il y ait de suivi de ce qui a été dit au niveau des écoles. Et je vous rassure qu'en tant que syndicat, nous serons extrêmement eh, vigilants et nous allons demander aux camarades de veiller, une fois que ce qui a été dit n'est pas respecté, et de nous faire parvenir Et nous allons effectivement dénoncer que cela n'est pas en train d'être respecté. al Moussa, est-ce que euh, ces fournitures qui ont été acheminés hier sont de bonne qualité Non, les fournitures, sincèrement, sont de bonne qualité. Et ce qu'il faut dire aussi, cette fois-ci, les cahiers portent euh, le logo de la République du Niger. C'est que vente, elle est interdite. La vente, elle est interdite. Et le ministre nous a dit que effectivement, quand nous voyons ces matériels-là sur le marché, de les arracher. Et donc déjà, nous avons, sur la base de ces contenus, nous avons informé par rapport à la qualité. Je ne doute pas. Mais nous allons voir concrètement les camarades auront la chance de nous faire parvenir eh, la qualité de ce matériel-là. Mais ce qu'on a vu, les kits qu'on a vu, effectivement, eh, la qualité est de mise. Mais sur le terrain, peut-être la réalité va changer. Nous le souhaitons pas. Nous, nous voulons que l'histoire nous donne tort, mais eh, nous estimons qu'aujourd'hui, grâce à nos façons de faire, à nos revendications, les choses sont en train d'être changées et les parents d'élèves aussi étaient là. Donc, ils ont vu les kits. Nous, nous estimons qu'aujourd'hui, nous devons tous nous engager dans le combat pour la restauration et la crédibilité de l'école publique parce que c'est elle qui est en train d'en pâtir. Et nous pensons qu'il faut qu'il y ait une véritable mobilisation autour de l'école publique nigérienne pour la permettre effectivement de retrouver ses lettres de noblesse. Est-ce que la quantité de ces fournitures-là est suffisante euh, pour couvrir tous les besoins sur tout l'étendue du territoire national Nous, nous avons les données statistiques hein, du ministère et en tout cas, selon effectivement les, les choses, c'est sur la base des données statistiques que effectivement les commandes ont été lancées nous estimons a priori que les fournitures seront suffisantes pour la première rentrée et par rapport même à la deuxième rentrée, ils ont dit qu'effectivement, ça concerne aussi la deuxième rentrée. Vraiment, les autorités nous ont rassurés. Maintenant, nous attendons de voir concrètement la réalité sur le terrain parce que c'est ça qui va nous édifier. Quelle est euh, maintenant la part de la contribution de l'enseignant dans le cadre de la réussite de la bonne rentrée scolaire vous savez, l'école publique, c'est notre raison d'être. C'est la branche sur laquelle eh, nous sommes assis et nous n'entendons pas l'acier. Et c'est pourquoi eh, nous profitons de votre micro pour demander à nos collègues, à nos camarades d'être extrêmement vigilants. Parce qu'il ne faut pas que nous contribuions à détruire ou bien assier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et c'est pourquoi, en tout cas, lors de nos rencontres, nous tenons des séances de sensibilisation. Il faut que nous apportons une contribution qualitative dans la protection et dans la défense de l'école publique. Parce que sans l'école publique, Octave, je ne vous cache rien, nous n'avons pas notre raison d'être. Et c'est pourquoi, en tout cas, nous allons veiller, nous allons mener des campagnes de sensibilisation, d'éducation civique pour la protection de l'école publique, pour que des enseignants et des comportements responsables. Et aujourd'hui, je vous dis, c'est avec un pincement au corps que nous sommes en train d'assister à la destruction de l'école publique. Et notre langage aujourd'hui est en train de changer. Il faut défendre l'école publique nigérienne parce qu'elle nous a tout donné et nous avons l'obligation de la protéger, de la soutenir pour que les enfants de nos parents qui sont en campagne, qui n'ont pas les moyens de payer à leurs enfants dans des écoles IP, il faut que nous continuions à protéger l'école publique et nous pensons que nous pouvons compter sur vous pour que, effectivement, ce combat-là, pour la défense et la crédibilité de l'école publique, nous le menions ensemble pour que vive vraiment l'école publique nigérienne. al Mustapha Moussa, merci. Merci, Mokhtar. Mustafa Moussa, membre de la convergence d'action unitaire de syndicat de l'éducation Cause Niger, il était interrogé par Mokhtar Hamadou. disport dans ce forum, cinq des six athlètes représentant le Niger euh, au Rio 2016 ont compéti notamment en judo, athlétisme 400 mètres hommes et femmes et aux 50 mètres nage libre hommes et femmes. En attendant l'entrée en matière du taekwondoïne Abdul Razak Soufalfaga, sur qui repose beaucoup d'espoir, le trésorier du comité olympique du Niger, Islaman Gamache, nous fait le bilan à mi-parcours de nos représentants aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Il est joint au téléphone par Moussa Bonsoir, monsieur Islaman Gamache. Vous êtes euh, membre du comité olympique qui accompagne nos athlètes aux JO de Rio. Cinq de nos six athlètes ont présentement compétit. Maintenant, nous aimerions avoir un peu le bilan à mi-parcours de ces athlètes. Euh, merci, monsieur. C'est un plaisir pour moi de faire un peu le bilan à ce jour donc, de nos athlètes. Sur les six athlètes que nous avons amenés, cinq ont compétit. Donc, un à Chico, qui a été éliminé par un Américain, Del Polo Polo, après 4 minutes 34 secondes au point. Ensuite, euh, nous sommes passés à la nature où notre compatriote al Mokhtar a été classé troisième de sa série avec euh, un record du Niger battu de plus de 1 seconde 1 centième. Nous avons aussi notre nageuse Rokaya qui aussi a fait une bonne participation parce qu'elle est quatrième de sa série et elle a amélioré son temps de plus de 3 secondes 36 centièmes, ce qui est une bonne performance. Donc euh, maintenant, il y a eu l'athlète euh, nigérien Hussein, qui est 400 mètres. Lui, bon, il faut le dire que ça n'a pas été comme on le parce que quelque part, euh, il n'a pas pu vraiment assumer, je crois, que dû à un stress de compétition du haut niveau de ici. Et notre euh, jeune fille qui s'appelle Mariam a appelé, qui aussi a fait les 400 mètres, mais elle, elle a pu améliorer son temps de, je crois, plus de 4 secondes. Je pense que c'est vraiment euh, un sacrifice si parce que déjà, les athlètes qui ont été on les a amenés dans les en mettant en tête qu'ils vont pouvoir faire mieux que ceux qui faisaient leur niveau actuel. Parce que vous savez, au niveau des, de la natation, de on vous classe en fonction de votre temps. En fonction du temps que vous avez, en ce moment, en ce moment, on vous classe par série. Donc les dernières séries sont les séries les plus puissantes, les plus fortes, à qui on donne un certain quota de temps qu'il faut respecter. Donc je pense que pour les séries dans lesquelles on a vraiment, ils sont bien évolués. Quand vous vous rendez compte de ce qu'ils veulent faire, donc vraiment sans commune mesure. Maintenant, il nous reste un seul athlète qui attend le val, Comme tout le monde l'a vu, notre espoir. Donc, euh, vraiment, on compte beaucoup sur lui. Et lui, on se dit que étant le e mondial et le 2e olympique, nous avons vraiment un espoir de médaille là-bas. Ce matin, je suis parti simplement avec lui, avec son coach. J'ai vu comment il travaille. Et vraiment, nous sommes à pied d'œuvre pour euh, que les conditions les plus optimales soient réunies pour qu'Alphaga puisse sortir le nom de ce pays et le mettre au champion vous êtes là-bas en tant que membre du comité olympique, accompagné de plusieurs techniciens du ministère. Donc, euh, vous avez touché du doigt euh, le haut niveau du sport olympique notamment. Maintenant, quelles sont les leçons tirées et qu'est-ce qu'on peut attendre pour améliorer le Niger euh, merci, ça c'est vraiment une bonne question que vous me posez. D'abord, je vous réponds en tant que président de la fédération, en tant que manager du sportif et en tant que membre du comité Je pense que à ce moment, l'État doit comprendre que le sport du haut niveau est onéreux. Le sport du haut niveau, il faut mettre les moyens. Il faut vraiment mettre les athlètes dans des conditions optimales pour faire du bon boulot. Il faut vraiment les mettre dans les conditions afin qu'ils puissent se juger et essayer de ravir la place au meilleur du monde. Tous les pays qui sont arrivés ici ont mis leurs dans les conditions, on les, les a mis dans les conditions. Et ça, ce n'est pas des conditions pour venir, non, c'est des conditions de préparation, c'est des conditions qui ont été préparées de longue date. Et ça, il faudrait que les Niger se mettent en tête que eh, le sport, ce n'est pas le parent corps. Le sport peut sortir les mêmes pays. Le sport peut être le lien qui va réunir les efforts d'un pays, qui va réunir le, pays, la, la nation, faire que tout le monde se retrouve patriote dans une même lancée c'est la seule chose qui réunit tout un pays sans que X ou Y se disent « je suis de telle partie de tel, bord. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui c'est l'État qui doit faire le maximum parce que les athlètes font de leur mieux. Le fait de laisser tout pour s'occuper de ça, pour se mettre à ça, ça sans l'avenir, je pense que les athlètes ont déjà fait leur part de marché. Maintenant c'est à l'État d'assumer sa part de marché et de mettre les athlètes dans les conditions, à les amener dans des centres qualifiés parce qu'aujourd'hui on n'a pas de centres qualifiés. Et à les mettre dans les conditions dans ces centres de façon à ce que ces jeunes n'aient plus aucun souci de penser quel sont leur avenir, s'ils se mettent en tête que leur avenir est assuré, parce qu'ils sont en train de faire quelque chose pour ce pays. Parce que c'est un travail aussi. Ils sont en train de servir ce pays comme les militaires, ils sont en train de servir ce pays comme les fonctionnaires, comme les politiciens. Donc je me dis que c'est ici qu'il faut leur montrer qu'ils sont des porte-drapeaux Merci à vous. Et Alphaga, il va compétir quand Alpha Alphaga va là Inch'Allah, le 20. Dans deux heures, nous allons partir à la, réunion technique qui concerne le taekwondo et Alphaga. Donc, le 20, à partir de 10 heures, Alphaga sera en compétition avec le français. Je pense que Alain va recevoir, va transmettre cette, euh, ce match parce que compétit contre un, français. Donc, je voudrais vraiment demander à tous les Niger d'être derrière lui, de prier, de faire des séances de prière, des séances de toi et de soutenir Alphaga. Inch'Allah, Dieu ne va pas nous oublier. Je pense que cette année-là, Dieu a pensé à nous. Il faut que nous pensions à nous-mêmes. Merci, M. Islaman Gamache, membre du comité olympique présentement à Rio, et bonne chance à Alphaga. De passage à Niamey pour une mission syndicale, Sani Garba le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi, a fait le point de la situation socio-académique à Studio Kalangu, mais également les, problèmes auxquels est confrontée l'université de Maradi. Sani Garba que je vous propose d'écouter, il est au micro de Tarnan Foudé Pouvez-vous nous parler de la situation actuelle à l'université de Maradi euh, La situation actuelle à l'université de Maradi dans sa globalité se révèle euh, à tout point de vue révoltante. Euh, aujourd'hui, en parlant de situation au niveau de l'université, c'est d'abord d'évoquer en premier lieu la question académique parce que telle est la pierre angulaire sur la base de laquelle, n'est-ce pas, les étudiants, n'est-ce pas, effectuent leur inscription à l'université dans l'espoir de se forger une carrière académique qui va déboucher, n'est-ce pas, sur euh, l'obtention d'un diplôme dans un intervalle de temps bien donné. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette question académique à l'université de Maradi, se trouve être confronté à un énorme problème de retard. Les étudiants, au lieu d'obtenir leur diplôme, n'est-ce pas, suivant un cycle normal de trois ans pour obtenir la licence, se trouvent aujourd'hui, en raison de ce retard académique, contraints de passer quatre ans, cinq ans, alors qu'ils ne sont en rien responsables de ce retard académique. Et si nous devons remonter aux véritables causes de ce retard, nous pouvons un peu souligner, dans un premier temps, la mauvaise gestion, n'est-ce pas, académique au niveau même de l'administration qui devrait s'en charger, n'est-ce pas, de la régulation régularité et du suivi, n'est-ce pas, de l'exécution des tâches académiques qui sont laissées pour le compte des enseignants et des coordinateurs des parcours. Un deuxième aspect, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un énorme problème, n'est-ce pas, qui relève euh, du droit à la grève du syndicat des enseignants-chercheurs, alors qu'elle est depuis le mois de juin. Les enseignants-chercheurs à l'université de Magadi, tout comme à l'université de Zender, se sont engagés dans une véritable grève qui n'a pas l'air de connaître une fin à l'horizon. Et nous estimons que eh, la continuité de cette grève se répercute de façon fatale sur l'avenir de l'étudiant et de sa carrière académique. Prendre des décisions pour que les autorités à leur niveau, puissent prendre toutes les mesures nécessaires afin que ces enseignants-là puissent reprendre le chemin de la fac au même titre que les étudiants. Ça, c'est ce qui euh, relève de notre souci aujourd'hui par rapport à l'académie. Parce que le 1er septembre, l'ensemble des étudiants de toutes les universités devraient se rendre sur leur lieu d'études. Mais avec cette grève, c'est dire que nous sommes en danger de reprendre ces activités parce qu'on ne peut pas aller alors que ceux qui sont censés divulguer les cours sont encore en grève. Ceci, ce n'est pas pour nous une façon de défendre la cause des enseignants-chercheurs, mais il se trouve que notre intérêt se trouve dans leur disponibilité. Donc ça, c'est par rapport à la question académique. Au-delà de cette question, il y a la question sociale qui se pose avec beaucoup plus de gravité. Et à ce niveau, nous faisons référence à la question du paiement de l'aide sociale. Comme vous le savez, le ministère a accepté de signer un accord avec le comité directeur tel que le montant de l'aide sociale sera maintenu à la somme initiale de 150 000 francs et que le paiement sera effectué sur toute l'étendue du territoire, dans toutes les universités, le même jour pour être achevé dans les 48 heures Malheureusement, nous avons constaté sans aucune surprise d'ailleurs, mais avec beaucoup de regrets, la violation lâche et irresponsable de cet accord que les autres autorités ont librement signé. Aujourd'hui, ce qui nous anime, c'est un sentiment de révolte et de discrimination. Pendant que dans les autres universités, les étudiants sont déjà dans leurs vacances merveilleuses, chez nous, les fils des paysans à Maradi, à Tawa tout comme à Zender, sont là abandonnés à eux-mêmes, en train d'attendre encore que leurs droits acquis soient mis à leur disposition. Nous avons rencontré le ministre des Enseignements supérieurs, nous avons rencontré le Premier ministre. Il semble qu'à l'heure actuelle, ils ne savent pas de la poche de quel Nigérien il faut faire ressortir les 730 millions. Parce qu'au terme de l'accord qu'ils ont signé, l'enveloppe de l'aide sociale qui s'élève à hauteur de 1 milliard 500 millions ne pouvait pas couvrir le besoin pour 15 029 étudiants retenus par le Conseil de l'ANAP. Au vu de cet impasse, l'accord signé a fait cas de la mise à la disposition de l'ANAP d'une somme supplémentaire de 730 millions qui devrait suffire pour la satisfaction de tous. Et que cette somme sera mise pour que le paiement commence. Et voilà que l'ANAP, nous ne savons pas par quelle mauvaise gestion des biens qu'ils ont, ils sont préférés prendre les 1,5 milliard dont ils ont la garantie d'avoir à leur disposition pour partager aux autres universités et nous reléguer de la réserve de 730 millions que eux actuellement si on leur pose la question ils ne savent pas d'où sortir avec l'argent. cest vrai qu'ils sont en train de jouer avec l'intelligence des étudiants de ces trois universités. Ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé, ça c'est devenu une tradition pour la nap Et cette tradition, comme elle n'est pas la meilleure, elle n'est pas un verset coranique, nous sommes décidés à la combattre. Nous réaffirmons, comme nous l'avons dit, notre attachement au principe de la solidarité militante, nous n'empêchons pas assez qu'on paye les autres universités, mais nous en avons assez que d'être relégués au second plan. Les raisons annoncées par l'ANAP, c'était des problèmes financiers rencontrés par les trésors publics. Est-ce que vous croyez en ça Bon, les problèmes financiers, c'est vrai, nous-mêmes au début, nos tout premiers arguments envers la base, c'était que la situation financière au niveau national, elle est difficile. Mais au vu des démarches diplomatiques entreprises par l'État, il y a eu des entrées financières qui devraient vraiment, je crois, que parler à des Nigériens, n'est-ce pas, d'un problème de liquidité au trésor pour une somme euh, de 730 millions, c'est dire que vraiment, euh, ce n'est pas la peine. Si un État peut se trouver dans l'incapacité de mobiliser 730 millions alors qu'il en a pris la promesse de les mobiliser, vient nous pleurnicher, dire qu'au Trésor, il n'y a pas l'argent. Nous ne pouvons pas concevoir cela. On ne peut pas croire à cela. À l'heure actuelle, on ne peut pas croire à ce qu'au Trésor, il n'y a pas de quoi payer l'aide sociale et la troisième bourse des étudiants. Ça, nous ne pouvons pas le croire. Et pour l'ANAB, qui brandit cet argument, ils ont commis l'imprudence parce que je crois qu'en termes de gestion, il faut savoir utiliser à bon escient ce qui vous est disponible, ce qu'il y a de concret pas de l'abstrait. Parce qu'au terme de l'accord, on a dit qu'on va vous donner, pas on vous a donné. Donc avec ce que vous avez, il faut savoir faire le bon management. Vous dispatchez entre les universités. Si ça ne suffit pas, on sait que bon, c'est une insuffisance dans toutes les universités. Mais prendre tout ce qu'on a de disponible pour payer M. X, dire que toi, M. Y, tu attends à ce que ce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va venir arrive pour qu'on te paye, ce serait vraiment insulter l'intelligence des étudiants que nous sommes. Vous venez de suivre Sani Garbaruna, secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Maradi. Il était interrogé par Tarnan Foudé Ahmed les programmes de Studio Kalangou à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez sur la radio Nomad FM 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Tébouassi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filingué Sur la radio Mouriatalaka. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, nous sommes euh, au terme du forum de ce soir. Rendez-vous au prix demain, même heure, même fréquence pour une nouvelle édition. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.